Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme euh, des studios Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum des studio Kalangou a pour thème Quel sol pour quelle culture au Niger De par sa position géographique, le Niger est une des régions les plus chaudes de la Terre. C'est un pays continental dont les 4 cinquièmes appartiennent au Sahara avec un climat marqué par la chasseresse liée à une insuffisance des précipitations. La pluviosité est calculée sur 30 ans 1951-1980 fait ressortir quatre grandes zones agricoles. La zone soudanienne subhumide à savane arborée et arbustive dégradée à l'extrême sud du pays qui a une pluviométrie supérieure à 800 mm par an, limitée au nord par l'isouette 600 mm. La zone sud sahélienne semi-aride à savane arbustive et steppe arbustive limitée au nord par l'isouette 300 mm. La zone nord sahélienne sub-désertique à steppe arbustive limitée au nord par 100 mm et la zone saharienne désertique à végétation oasiste. Ces données ont été retirées de l'article Les grands types de sols du Niger élaboré par Garba Malam Anou de l'INRA. Nous constatons clairement que les zones ne sont pas arrosées de la même manière, ce qui provoque une différenciation entre les terres de ces zones. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des analyses et des explications, les différents types de sols adaptés à l'agriculture, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour des meilleurs résultats dans ce secteur vital pour l'économie nigérienne. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir professeur Yajigero, agropédologue à la faculté d'agronomie à l'université Abdoumouni de Niamey. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et Zakei Yaye, agronome chargé du conseil agricole au réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Zakei Yaye, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, professeur Yaj Giro. Sur le plan agricole, on note que seuls les sols bruns et les sols ferrugineux sont utilisés pour l'agriculture pluviale selon les experts. Que peut-on savoir au sujet des différents types de sols qu'on rencontre ici au Niger Selon la position topographique, on peut dire qu'il y a à peu près pour moi quatre grands groupes de sols. Ici au Niger Ici au Niger. Vous avez par exemple euh, les sols qui sont sur les plateaux. Vous avez le plateau ouest nigérien qui fait à peu près 22 000 km, Il va à peu près donc, euh, j'allais dire, de la zone, de la frontière avec le Burkina jusqu'à pratiquement vers Kony. Est-ce que vous voyez Donc vous avez ce plateau, c'est ça sur lequel vous roulez. Quand vous quittez Niamey, vous passez, ça descend, ça monte. Vous avez les grandes voies jusqu'à Beningauré, n'est-ce pas vous descendez dans la pente et vous remontez encore. Vous roulez, je crois, jusqu'à vers Corémerois d'Outi. Vous descendez sur la pente, euh, dans la vallée, vous remontez. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le plateau euh, ouest nigérien qui a pour sol. Donc c'est eux, c'est pas, c'est des sols qui sont sous formation naturelle en principe. C'est là que nous avons des, des arbres un peu, c'est le dernier euh, refuge refuges des formations forestières, c'est dans ces zones-là. Ça s'étend jusqu'à Gaïa. Est-ce que vous voyez, c'est la zone qui fournit du bois et généralement, et donc, d'autres produits. Et donc, euh, mais ce sont des sols peu épais, c'est-à-dire ne sont pas profonds. Est-ce que vous voyez mais si on regarde aujourd'hui, les gens ont tout coupé, le bois. Il y a beaucoup, si vous voulez, de tentatives de mise en valeur. Si on comprend, en professeur, cette zone est comprise entre deux régions, la région de Telabéry et la région de Dosso. Voilà. Vous remontez jusqu'à pratiquement Koni. C'est le plateau sur lequel vous voyez. Une partie de, de la région d'Ottawa. Voilà, pas toute la région d'Ottawa. Maintenant, quand vous descendez, n'est-ce pas, vous avez les pentes, vous avez des zones où, par exemple, l'eau se coule, les pentes là. On peut les mettre ensemble. Mais vous avez plus bas des sols un peu peu épais. C'est ce que vous voyez souvent euh, au flanc des, collines, n'est-ce pas, qui sont de teinte rouge. Hein, et sur lesquels on cultive par exemple. Là aussi, c'était des, des, sols, si vous voulez, qui avaient leur espèce forestière, par exemple, euh, mais qui sont aussi. Donc c'est ça peut-être là qu'on va trouver essentiellement des sols ferrugineux tropicaux. En fait, ça correspond, si vous voulez, à des pluométries pratiquement jusqu'à pratiquement 500 mm. Vous avez ce type de sol. On peut faire de l'agriculture sur euh, tous ces sols-là Le premier niveau, les sols de plateau, en principe, c'était pour moi, c'est des sols qu'on devait laisser sous formation naturelle. C'est-à-dire, professeur C'est-à-dire qu'on doit laisser la végétation naturelle. Il domine. Est-ce que vous voyez donc, si vous détruisez la végétation, ils vont être source de ruissellement et ils vont engendrer la dégradation de ceux qui sont en bas. Dans certains pays, par exemple, on limite la coupe de la, végétation des parties hautes parce que c'est elles qui vont casser la vitesse de la pluie qui arrive. Mais si la pluie arrive sur un sol nu, surtout sur des sols peu épais, si vous voulez, donc ça va engendrer le ruissellement donc, quelque part, c'est un peu <laughs> ça qu'on est en train de faire, si vous voulez, ou qu'on a. À vous comprendre, professeur, on doit limiter la coupe abusive du bois dans toute cette partie que vous venez euh, En tout cas, sur les parties qui restent. Parce qu'on a déjà, je crois qu'il y a eu beaucoup de travaux de coupe sur cette euh, formation naturelle. Donc maintenant, vous avez les sols fégéniaux tropicaux typiques. Donc c'est un peu, c'est les caractères rouges, le, le couleur rouge, si vous voulez. Est-ce que vous voyez Parce que et donc là, c'est pratiquement sur beaucoup de superficies, on les trouve jusqu'à cette hauteur de 500 mm, 400 mm. Mais maintenant, si vous quittez en dessous de 400 mm, vous avez les sols bruns. Ça vous fait donc déjà trois types. Mais maintenant, vous avez les sols de bas fond parce que les, sols seuls brins là, on les retrouve dans quel local Pratiquement, vous avez en dessous de 400 à pratiquement 200 mm. 200 mm, 300 mm, c'est un peu la zone pastorale si vous voulez la zone pastorale qui fait donc 200-300 mm et qui va jusqu'à pratiquement la zone de Gouré, par exemple d'Iva, euh, c'est le sol brun. Euh, si vous, roulez, vous arrivez pratiquement au niveau de Gouré, vous voyez qu'il y a une coupe, il y a une baisse, vous descendez et vous avez pratiquement les sols sableux qui vont aller pratiquement jusqu'à pratiquement au niveau, si vous voulez, la cuvette du lac Tchad. Et donc, ces parcours-là, ces sables-là, donc c'est ça que vous trouverez de ce dont vous n'avez pas. C'est-à-dire que le climat, son action un peu est limitée par insuffisance d'eau. Et donc, ce qui va faire en sorte que ces sols-là, eux, leur couleur va être marquée par les racines des plantes. Celles qui vont se décomposer vont donner une teinte noirâtre et c'est pour ça qu'on les appelle les sols bruns. Donc, euh, la couleur rouge va s'estomper, va diminuer au profit de la couleur marquée par, si vous voulez, ce que nous appelons. Là-bas, ce sont des sols qui ne sont pas euh, propres à l'agriculture. Bon, si on regarde la région de Difa, si ce n'est pas que les conditions se sont dégradées, avant ils cultivaient. Est-ce que vous voyez Bon, parce qu'il faut le dire, jusque la fin des années 60, la pluviométrie était bonne. C'est pratiquement avec les crises des, des premières sécheresses de l'an on de 68-74 et avec 84 que la situation est totalement bouleversée. Avec les effets du changement climatique. Donc voilà, en gros, si vous voulez. Donc maintenant, vous avez le quatrième, c'est les bas-fonds. Ce sont les bas-fonds. Donc les bas-fonds, ça comprend pratiquement là où l'eau passe. Par exemple, le fleuve Niger, si vous voulez, vous avez... Les Goulbis. Les Goulbis. Les Dalol. Les Koroma, les Dalol et les cuvettes oasiennes. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, les quatre grandes familles de sols, si vous voulez, à l'extérieur. Ce sont des sols aussi, même les roches nues, par exemple, <laughs> du, de la zone désertique, parce qu'il y a quand même une vie. Parce que s'il y a sol, il y a vie. Et donc euh, là-bas, c'est un autre type, si vous voulez. Il ne pleut pas beaucoup, si vous voulez, c'est pratiquement inférieur à 100 mm. Mais du fait des grandes vallées, qui font peut-être des millions d'hectares, si vous voulez, le ruissellement, le peu d'eau qui arrive est concentré dans les vallées et c'est ça qui permet la recharge des nappes et les gens pratiquent, si vous voulez, des cultures. Mais ce sont des bas-fonds. Des cultures maraîchères. Les cultures maraîchères. Professeur Yaji Giro, quels sont les sols adaptés aux différentes cultures pluviales et les cultures irriguées ici au Niger Bon, disons, si on considère les choses naturellement, on voit que quand vous êtes dans les zones de 800 mm, 500 mm, vers Gaïa, vous remontez jusqu'à à peu près vers peut-être sud. De, bon, maintenant avec le nouveau découpage <laughs> administratif, un peu vers Douti, vous avez par exemple une diversité des plantes qui sont cultivées sur ces sols ferginaux tropicaux. C'est pratiquement le mil, n'est-ce pas Le haricot, l'arachide, le, le fonio. bon, le fonio, généralement, il est placé en fin euh, des cultures. C'est-à-dire, vous allez cultiver le mil pendant 4 ans, 5 ans. Le sol est épuisé et fatigué. Si je prends le système euh, traditionnel, et on laisse, avant de le laisser en jachère, on met le, sol, on met le fonio. Et puis, donc, si vous voulez, on l'abandonne pour la jachère. Donc, vous avez le fonio, le wanzou, n'est-ce pas euh, Les arachides. Donc, vous avez pas mal de plantes, si vous voulez, le manioc. Hein. tout ça, c'est cultivé et dans ces zones-là. Bon, maintenant, vous voyez, quand vous partez dans les zones, par exemple, où il y a beaucoup de, cuvettes, enfin de, de, vallées, je prends la magia, par exemple. Est-ce que vous voyez Généralement, c'est des sols aussi qui sont. Donc, ça, c'est des sols de bas-fond. Je ne les ai pas détaillés. Vous avez, ils ont leur caractéristiques qui permettent beaucoup de. C'est des écoulements, mais vous allez, ce sont de surtout la région de Tawa, je vois, c'est essentiellement le sorgho. Dans les zones où il y a un peu le caractère, si vous voulez, encore brun, brun ou rouge euh, et, ferrugineux, on continue à faire le mil. Quand vous prenez par exemple l'ouest, j'allais dire de, du département, de l'ancien département de Tawa, soit ce qu'on appelle, euh, ce quoi ça doit être une commune Baram, vous partez la zone de est là vous remontez vers... Euh, donc, si vous voulez, ces zones-là cultivent le mil. Est-ce que vous voyez mais la zone, si vous voulez, donc, où il y a beaucoup de vallées de l'argent du Tawa, c'est pratiquement, si vous voulez, le sorgho et éventuellement les cultures maraîchères. Donc, euh, dans ces vallées, voilà un peu ce qu'on trouve. Maintenant, vous avez aussi la zone, si vous voulez, Maradi, Zender, n'est-ce pas, qui cultive aussi le mil. C'est pratiquement ces formations-là, les formations sableuses des, des, vallées, donc les vallées sèches, si vous voulez, telles que les Dalol, si vous voulez, les Koroma et les Goulbi euh, avant d'arriver sur les lignes mineures, j'allais dire des Goulbi. Donc les gens font le mille sur ces zones-là aussi. Bon, d'IFA, donc nous avons parlé, mais c'est maintenant des variétés de mille à cycle, qui ont un autre cycle. cycle mais c'est un cycle court. Bon, avant c'était l'Ankoutès, un peu avec la zone, j'allais du nord Zender, dans la zone de Tanout, si vous avez, c'était l'encoutesse. Est-ce que vous voyez Donc pratiquement, chaque zone pratiquement a ses cultures. Est-ce que vous voulez Et donc, pratiquement, il y a une complémentarité entre les régions. Professeur, une dernière question avant de donner la parole à Zakayaye. Y a-t-il une euh, différenciation ou bien des différenciations mondiales en matière de classification des sols Ah, si. Si. si, il y a une classification mondiale des sols. Nous, nous sommes un climat tropical en général. Dans le climat tropical, il y a le tropical humide. C'est les zones, par exemple, forestières, euh, où il y a de l'eau là-bas, ce sont des sols euh, à peu près, parce que ce qui fait la différence, si vous voulez, avec le climat tropical, c'est que il fait chaud. Il fait chaud et il y a de l'eau, parce que ce qui fait la formation des sols, c'est le climat, c'est l'eau. Le moteur, il faut un matériau rocheux, un moteur de départ, n'est-ce pas Et le climat, et le climat, c'est si vous voulez donc et l'eau et la température, et le sol commence à se former. Et la végétation, si vous voulez, progressivement va s'installer elle aussi, avec les feuilles des plantes naturelles qui tombent, elle aussi va venir contribuer à la formation du sol. Bon, mais c'est un processus qui prend du temps. Merci beaucoup au professeur Yajigiro. Je rappelle que vous êtes agro-pédologue à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le temps de donner la parole à Zakayaye qui est agronome lui aussi, euh, Zakayaye, la superficie potentiellement cultivable est estimée à 15 millions d'hectares, représentant moins de 12% de la superficie totale euh, du pays, tandis que les terres cultivées sont estimées à 6,5 millions d'hectares. Il faut souligner que 80 euh, à 85% de ces terres cultivables sont d'une heure et seulement 15 à 20% sont constituées de sol hydromorphe moyennement argileux euh, selon le CDS e 1987. Quels sont les différents types de produits agricoles et leur localisation ici au Niger Merci Mokhtar. Et au niveau du, du RECA, j'allais dire peut-être au niveau du euh, territoire nigérien, les différents produits, j'allais raisonner peut-être en, en, termes de, de, culture, les différentes cultures qu'on a. Les spéculations, c'est principalement le, le qui est pratiquement cultivés sur l'ensemble du pays et qui occupent l'ensemble des, sols du Nord pratiquement. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait aussi son, caractère euh, aujourd'hui beaucoup plus surstique parce que on estime que le mil ne donne pas très bien alors que c'est de part aussi sur les types de sols qu'ils sont qu'il beaucoup plus cultivés parce que la plupart des sols du Nord, comme l'a dit le, professeur, c'est des sols qui sont décivés donc euh, pratiquement pas très riche. Et aujourd'hui, avec euh, tout l'export de la matière organique, notamment les produits agricoles et même le problème de, fertilisation organique, on estime que cette culture ne, donne pas très bien. Et aussi, l'une des, spéculations, je ne vais pas parler d'abord du sorgho, je vais parler du, du nébé, qui est aussi, aujourd'hui cultivé principalement en association sur presque l'ensemble. Dès que vous voyez aujourd'hui du mille, vous allez trouver du niébé aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des, en termes de, superficie, d'ailleurs, le nombre de superficies en, en mille et en niébé est pratiquement plus ou moins égal à, à au niébé, parce que c'est des cultures qui sont cultivées ensemble. Et comme vous le constatez, la culture plus de niébé aujourd'hui, elle n'est pas très, très importante en réalité. Et c'est, pour nous aussi, c'est, c'est une très bonne chose parce qu'en termes de, de, de, maintien de la fertilité, de gestion de la fertilité des sols, aujourd'hui c'est une très bonne chose. Et puis bon, les producteurs aussi le font pour un peu aussi maximiser le, le gain à, l'unité de superficie. Bon, la deuxième céréale, c'est le sorgho. Tout de suite, le professeur parlait de, de bas-fonds. Et généralement, le sorgho est cultivé au niveau des bas-fonds, là où il y a les dépôts, et les dépôts de résidus et même les sols qui sont plus ou moins, euh, je ne vais pas dire euh, argilé, mais au niveau surtout beaucoup plus de sols euh, un peu riches et peut-être là où la matière organique et même l'aspect, il y a un peu de l'argile et de, de, de, limon. Aussi, c'est aussi stratégique parce qu'en termes d'exigence, le sorgho est, plus exigeant que le mil. Quand on prend des cultures comme l'arachide, on le fait un peu partout. Mais le, sauf le sésame aussi. Le sésame, sauf que selon les régions, ça différencie. Quand on prenait l'arachide et le niébé, c'est des cultures euh, économiques, mais quand on prenait la région de Zender et de Maradi, ils produisent l'arachide réellement pour vendre, c'est pour générer de ressources, contrairement à, à Tilabiri et peut-être à, à et même une partie de, Tawa où les gens le font, sous forme de culture de cases, où c'est généralement pour... Euh, les aspects liés, les aspects liés au culinaire où les femmes l'utilisent beaucoup plus dans, dans la consommation. C'est une petite partie qui est réellement vendue pour, euh, pour générer des ressources. Maintenant, quand on prend les cultures maraîchères, aujourd'hui, il est beaucoup plus cultivé au niveau des bas-fonds et des points d'eau. Je prends l'oignon. Aujourd'hui, l'oignon, vous allez le trouver un peu partout Peut-être qu'on va dire que c'est une culture phare de, Tawa, mais aujourd'hui, l'oignon, il n'y a pas une seule de ces régions dans, lequel, dans laquelle vous ne trouvez pas de, l'oignon. Donc, on peut pratiquer l'oignon, c'est pratiquement toutes les zones cultivables. C'est toutes les zones cultivables sur lesquelles on, le cultive. Moi, chez moi, à un certain moment, il n'y avait que la, laitue et la, la tomate. Mais aujourd'hui, quand vous allez, je parle de Walam, quand vous allez, même la semaine passée, j'étais à Walam, sur la voie, vous allez trouver des gens qui sont en train de vendre de, l'oignon. Alors que dans le temps. C'est de l'oignon produit localement. C'est de l'oignon produit localement. Et souvent, tellement que la production est importante, les gens sont obligés de brader pour vendre. Yaye, quand on parle de, de l'oignon, on ne voit que directement la région de Tawa et euh, une partie de Sukukutan euh, dans le département de Dokonduki. Donc, euh, à vous comprendre, on peut produire l'oignon un peu partout, même sur les rives du fleuve Niger. Je vous dis, aujourd'hui, l'oignon est cultivé un peu partout. Aujourd'hui, quand on prend, on sous-estime d'ailleurs, moi je prends, on sous-estime d'ailleurs la production de, d'Agadez. Agadez produit à un moment où pratiquement il n'y a pas d'oignon sur, sur l'ensemble du pays. Et la production d'Agadez, il, il est, très très important. Nous, on les a suivis en conseil de gestion. Toute la région d'Agadez, quand vous allez au niveau de Tabelote, les, les, les, en cette période, vous n'allez trouver que de l'oignon. Et c'est extraordinaire, ils font beaucoup d'oignons. Et ça, ça rapporte aussi. Ça rapporte beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, souvent les gens euh, recommandent à, à ce qu'on conserve l'oignon à Agadez. Vouloir qu'Agadez conserve de l'oignon, c'est méconnaître la réalité encore de la chaleur. Euh, se méconnaître en réalité euh, euh, en termes d'importance économique, c'est que ça fait générer en cette période. Parce que Agadez produit à un moment où il n'y a pratiquement pas d'oignons sur, sur, mais, mais comment expliquer la cherté de l'oignon sur le marché, Zakayaye La cherté de, l'oignon, moi je me dis, c'est beaucoup plus peut-être que l'oignon exporté. Parce que la grande partie, quoi qu'on dise, l'oignon n'est pas produit seulement pour nous, il est aussi produit aussi pour l'exportation. Pour, pour, Parce que il faut, il faut, il faut se féliciter que l'oignon du Niger, c'est un des oignons qui est beaucoup plus exporté, et apprécié, apprécié, notamment en Côte d'Ivoire, euh, au, Ghana, où il a rien à envier aux oignons qui sont produits, qui sont produits dans, même dans les pays développés. Parlons à présent des autres spéculations euh, à telles que le poivron et autres là. Je vais, euh, d'accord, les autres cultures, les autres cultures pouvaient. Maintenant, quand on prend les autres régions, on sent que aussi par rapport à, ces productions, il y a des régions qui se sont, spécialisées. Quand on prenez par exemple DIFA, ils se sont beaucoup plus spécialisés, se distinguent par le poivron rouge, qui aujourd'hui aussi génère beaucoup de ressources. Et l'avantage de ce, de, poivron rouge, c'est qu'il peut être conservé pendant, parce qu'il le sèche, et il peut être conservé pendant des années pour être vendu. Donc ils n'ont pas de, de, problème. Vous prenez une région comme Dosso, vous avez la pomme de terre qui est beaucoup plus aussi produite à, à Douki où il se distingue par rapport à ça. Vous avez Matankari, vous avez Douki, vous avez une partie de Tibiri aussi qui, qui se sont spécialisées. Et quand vous prenez Gaïa aussi, vous avez toute cette euh, panoplie de, poivrons et de, de piments verts. Vous avez également la, la, la, la, patate douce, il faut, il, faut, il faut aussi le dire, dans les, dans les zones de Bengu ou autres, ils font beaucoup plus de, patates. Et même le manioc aussi, qui est aussi une culture marginale qu'on retrouve un peu partout. pourquoi, les gens marginalisent euh, la culture euh, du manioc Non, en fait, on le marginalise parce que la culture du manioc, à un certain moment, moi, je veux, avant que je ne sois agronome, le manioc est cultivé en, il est beaucoup plus le se fait en, saison d'hivernage et c'est pratiquement dans le champ et c'est considéré c'est généralement c'est en culture de case et même la parce qu'à un certain moment c'était c'était en association mais maintenant les gens ne produisent pas le manioc pour vendre, ils le produisaient juste pour la petite consommation. Est-ce qu'on peut euh, cultiver suffisamment de manioc ici au Niger Bien sûr que oui. Et c'est en cela que j'interpelle aussi la recherche parce que et peut-être qu'il faut aller vers euh, des, variétés à, haute productivité qui s'adaptent très bien. Mais maintenant, la question du, manioc, c'est beaucoup plus sa transformation parce que faut, il faut, c'est juste pour la consommation, pour cuire ou, pour euh, griller, de mon point de vue, il faut aller, il faut, il faut dépasser ce, cap-là. Maintenant, je suis en train d'aller ah, de, vers, vers les cultures. Euh, quand vous prenez aussi la, la région de, de Tilaberi, vous avez beaucoup qui s'est spécialisé aussi dans, dans, dans, dans, la portion de pommes de terre. Vous avez aussi. Dans le département de dans dans le département de Filingué, vous avez aussi la riziculture aussi qui est développée. et balayara. Oui, balayara. Mais la riziculture aussi qu'on développe au-delà des aménagements. Aujourd'hui, la riziculture, vous le trouvez aussi en hors aménagement. Et de mon point de vue, c'est aussi un type de production sur lequel on devrait mettre l'accent. Parce que pour aller vers la sécurité alimentaire, il ne faut pas aussi voir ces, ces, espaces aménagés. Il faut aussi, aussi voir ce qui est aussi fait en, en or aménagement pour le riz. Vous avez des zones comme Gaïa, où on fait beaucoup de riz en or, aménagement, et même DIFA, en termes de, production de riz, la grande partie est aussi produite en or aménagement. Et de mon point de vue aussi, ça aussi c'est important. Donc vous avez une diversité en tout cas de, de oui, euh, euh, malgré cette diversité, malgré toutes ces potentialités, les Nigériens n'arrivent pas à s'y nourrir. Comment expliquer ce paradoxe, Zakayaï Moi, je me dis peut-être que c'est peut-être nos, politiques. Et moi, je me dis l'aspect sécurité alimentaire, on doit cadrer notre politique par rapport à ça. Parce que pour moi, l'économie, c'est bon. Mais du point de vue aussi social, il faut qu'on trouve aussi une politique qui s'adapte. De mon point de vue aujourd'hui, moi j'ai du mal à ce qu'on me dise que le, le, le, sac de mille coûte aujourd'hui plus de 40 000 francs. De mon point de vue, ce n'est pas normal parce que c'est un des produits phares. Et de mon point de vue, si on devrait faire des politiques agricoles, c'est d'aller vers ça. Aujourd'hui, quel qu'en soit normalement euh, euh, la charité de, du mil ou du, du sorgho, le Niger ne devrait pas le payer à 20 000 francs. Et je pense que c'est là où il faut aller vers des politiques qui s'adaptent, qui prennent en compte cet aspect aussi sécurité alimentaire. Le 1000 pour revenir, pour en revenir, tout de suite le professeur parlait eh, de DIFA où il y a des variétés eh, à cycle court. Il avait parlé aussi de, de, Et je pense que ça, on est interpellé en termes même de changement de mentalité. Je prends la région de, de l'Ouest, c'est qu'au on va voir que les gens sont liés beaucoup plus à des préférences plutôt qu'à des, aspects de productivité. En cause de l'utilisation des tiges Voilà. Maintenant, je prends le mil par exemple. J'aime prendre cet exemple. Il y a une variété comme Shakti. En 52 jours, il peut, il peut, il peut mûrir. Et en termes de, potentiel, il a un rendement qui peut aller jusqu'à 2 tonnes. Et même en irrigué, c'est possible. Pourquoi ne pas aller aussi vers ça et abandonner nos pratiques. Euh, Peut-être que c'est le goût qui euh, diffère. Souvent, ce n'est pas des questions de goût, c'est des questions d'habitude et de culture. Et je pense que il faut qu'on aille vers ce, changement-là et, et, voir ce qui est important pour nous, pour adopter aussi les technologies aussi qui sont, qui sont, qui sont mises à notre disposition. Merci beaucoup à tous. Mm. On va prendre une courte pause. Je reviens vers vous, professeur Yaji Giro. Je rappelle que vous êtes euh, agro-pédologue à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni et de Niamey. Professeur, pourquoi devons-nous protéger le sol et avec quels moyens Bien, il faut protéger le sol parce que si on regarde très bien, dans les zones cultivées qu'on a balayées, je peux dire même si c'est depuis Gaïa jusqu'à la zone, euh, j'allais dire, euh, de... Mais quelle que soit la zone, dans les zones où vous avez des, formations dures, je parle des plateaux, n'est-ce pas On a coupé, par exemple, comme je vous ai dit, le plateau que je vous disais, je pense que dans les années 80, pratiquement, c'était relativement couvert. Moi, j'ai un collègue qui a travaillé là-dessus, qui a démontré que c'est la formation naturelle qui est exactement en équilibre aujourd'hui avec le climat actuel. Il fallait très probablement regarder comment l'exploiter compte tenu de ses caractéristiques, son potentiel, mais aussi ses points de faiblesse pour ne pas détériorer, détruire cette végétation. Bon, si je regarde par exemple, moi j'étais euh, jeune assistant, j'accompagnais accompagné collègue, n'est-ce pas, il était notre chef de département, je l'accompagnais, bon j'apprenais, mais aujourd'hui, si vous partez là où il a travaillé, c'est méconnaissable. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien comme végétation. Tous les arbres ont été coupés. Tout parti. Et donc, si vous voulez, Maintenant, ce ruissellement-là, on a fait donc, donc, professeur, si on, vous comprend, l'action du reboisement, le fait de reboiser est en quelque sorte un moyen de protéger le sol. Moi, oui. Parce que la végétation naturelle, j'appelle dire, c'est un peu la peau <laughs> du sol. C'est ça qui protège. Maintenant, vous avez coupé la végétation. Et dès que vous coupez la végétation pour la mise en culture, vous créez une nouvelle dynamique. Nous quittons les conditions naturelles. Donc la protection naturelle, c'est fini. Maintenant, l'homme qui a dit qu'il va <laughs> mettre en place, il faut qu'il exploite sans trop dégrader, parce que de toute façon, il y aura dégradation. Donc, je pense que c'est l'un des grands problèmes qu'on a. Maintenant, vous avez donc euh, les, zones de ruissellement, vous avez des transports qui se font par l'eau, qui va rejoindre le petit ruisseau, rejoindre un ruisseau plus grand que ce grand ruisseau va déboucher sur le fleuve Niger, sur le Goulbi ou la Korama. Et ça peut aller au-delà du Niger. La terre est partie, on n'en parle plus. Bon. Maintenant, vous avez le vent, lui aussi, en saison sèche. Les zones sableuses, on a parlé des sols sableux, apparemment les sols qui ont une composition sableuse importante au Niger, c'est à peu près 80% des sols et qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas protégés. Les gens cultivent et ramassent tout. Ben, vous exposez le sol au vent. Et donc le sol va partir, prendre les particules les plus fines. Or, c'est ces particules fines, c'est elles qui retiennent, si vous voulez, les éléments, si vous voulez, qui sont intéressants pour les plantes. Donc, vous voyez que globalement, donc, on a de grands problèmes. On fait de la récupération des sols, c'est vrai, mais c'est bien. Mais il faut conserver, il faut récupérer et améliorer. Et donc là, il y a un gros effort à faire. Bon, heureusement, <laughs> il y a quelqu'un que maintenant, des points où ça commence à arriver, il y a une expérience qui a été faite de la région de Maradi, qu'on appelle la régénération naturelle assistée, qui est en train un peu de s'épandre progressivement sur l'ensemble du pays. pratiquement en tout cas la zone agricole, progressivement. Donc ce serait bien que ça, en tout cas, que ça soit généralisé. Donc ça va limiter, si vous voulez, par exemple, l'érosion éolienne. Mais vous avez des les zones, euh, donc les zones championnes, zones championnes de la de l'érosion hydrique, c'est par exemple, comme j'ai dit, la Maja, les plateaux du Tawa qui sont dégradés aussi. C'est vrai, il y a un bon potentiel. La preuve en est que euh, le gros de la production, euh, j'allais dire maraîchère ou d'oignons de la région du Tawa, c'est la basse vallée de la Tarka. Mais les plateaux qui l'abordent, si vous voulez, cette vallée, envoient de l'eau. Ils vont arracher du sable et ils vont changer, si vous voulez, et créer peut-être même des ruisseaux. Donc, euh, et là, si vous voulez, les dégâts risquent d'être rapidement très importants. Euh, professeur quelles sont les solutions pour éviter la pollution du sol La pollution. Bon, quand vous parlez de pollution, ça veut dire que le sol renferme des éléments qui ne sont pas bons. Euh, surtout pour les cultures, parce que peut-être les cultures vont les prélever est-ce que euh, le fait d'utiliser euh, des pesticides, de l'engrais... Ah si, si, si, si. Parce que euh, dans tous les cas, nous avons travaillé avec d'autres collègues et sur la partie pollution due aux pesticides, si vous voulez. Et par exemple aussi, par exemple la ville de Niamey, un peu la zone de Katako, là où il y a un peu, on travaille le fer, les métaux. On a des pollutions, si vous voulez, dues au travail de métal. On a la pollution dans la zone orifère aussi, si vous voulez. À travers euh, l'utilisation des cyanure, du mercure. de mercure, si vous voulez. Pratiquement, là aussi, vous avez de la pollution. Cette pollution peut aller dans l'eau comme elle peut rester dans le sol. Est-ce que vous voyez Donc, quand vous traitez, par exemple, une plante, en principe, et le grand problème, c'est que le gros des produits utilisés dans le traitement, ce ne sont pas les produits recommandés, homologués, j'allais dire, si vous voulez. Et, donc, c'est ça l'un des grands problèmes que nous avons. Et donc, vous avez trouvé du tout sur le marché. Et les gens ne connaissent même pas. Bon, on nous a vu le voisin faire et on fait. Est-ce que vous voyez Et actuellement, vous avez aussi les désherbants qu'on a commencé à introduire, euh, ah. par exemple, sur les, sur les plantes, par exemple, sur les, ça commence à, à venir chez nous. Donc, et tout cela, les gens doivent être informés. Bon, malheureusement, nous sommes dans un contexte où, bon, les gens apprennent plus à côté des voisins qu'auprès <laughs> un peu, j'allais dire, des conseils techniques. Merci beaucoup, professeur Yaji Giro, Zakayaye. Selon l'URECA, les quantités euh, de semences produites à la campagne agricole euh, d'hivernage 2023 euh, sont de quatorze 5 tonnes contre 13 084,7 tonnes pour l'année passée, soit une diminution de 28%. Comment expliquer cette diminution dans un contexte de recherche de l'autosuffisance alimentaire cette diminution de, de, semences, moi je me dis que ça, s'explique euh, par une, ou deux raisons principales. D'abord, les semences, quand on prend les achats, les achats institutionnels, nous on est contre que les producteurs de, semences produisent beaucoup plus pour les achats institutionnels. Pour l'appliquer, vous allez voir les gros semenciers. L'achat institutionnel, c'est l'achat exécuté par, l'État et ses partenaires. Et ses partenaires. La plupart des gros semenciers, en réalité, ils produisent pour l'État. Alors que normalement, la, production de semences doit beaucoup plus viser les producteurs, les, les, agriculteurs. les agriculteurs. Maintenant, même faisant, même si par ailleurs ces achats institutionnels arrivent à, à se faire, vous allez trouver que souvent ce n'est pas les producteurs semenciers qui obtiennent les, les marchés de l'État. Alors que la, logique, même si on donne un marché à quelqu'un, la priorité doit être donnée aux semences produites au Niger. Et pour la plupart des cas, ce n'est pas, ce n'est pas, le, pas le cas. Et deuxièmement, vous allez voir aussi que les producteurs de semences, moi je dis, c'est vrai que la semence, c'est l'élément le plus important peut-être le matériel végétal avec le sol, c'est le plus déterminant. Mais aujourd'hui, le, le, niveau de revenus de, de nos producteurs sont tels qu'aujourd'hui, quand on dit un kilo de semences à 2000 francs, il ne peut pas se, se procurer. Ah, l'accès est difficile. L'accès est difficile. Je prends juste euh, euh, l'arachide. Le, C'est un exemple. On dit la, la semence, euh, le kilo d'arachide à 2000 francs. S'il faut prendre 20, 25 kilos, ça fait 50 mais Ce n'est pas évident aujourd'hui que nos producteurs puissent s'en approprier. Donc là, pour moi, c'est vraiment des, des, raisons. Mais maintenant aussi, la plupart aussi de, de, ces producteurs ne sont pas aussi beaucoup plus informés sur, la, sur là où ils vont avoir des semences. Des semences. C'est en cela que nous, on avait initié à travers les émissions radio, des radios que d'ailleurs avec lesquelles vous, vous travaillez, quand l'annueur l'annuaire sort, parce que les, les, les, quantités de, de l'année passée et de, de, cette année, en réalité, nous, on fait une analyse des quantités disponibles pour l'année pour que les gens sachent les quantités disponibles pour telle variété, pour telle espèce. Où est-ce qu'on peut trouver ces, ces, ces, quantités-là Donc, pour nous, même l'information aussi, souvent, les gens n'ont pas cette information. Ce qui fait que souvent, ça crée des méventes, des aussi pour, euh, pour ces gens-là. Et maintenant, même la semence l'intérêt même de l'utilisation de la semence améliorée aussi aussi c'est aussi une contrainte aussi. est-ce que les Nigériens ont quand même une certaine connaissance euh, ou une certaine expérience au sujet de l'utilisation euh, des semences de variété améliorée Non, je pense que ils en ont, ils en ont. Nous, on est en train de, travailler, mais c'est beaucoup plus moi de me dire la disponibilité et l'accessibilité de ces semences là. La semence peut être là, mais aussi quand ce n'est pas aussi disponible ou du moins euh, proche aussi du producteur, ça peut aussi être, euh, être aussi euh, un, problème. Mais nous, le travail qu'on fait en réalité, en début de chaque campagne, on a une situation qu'on élabore et on prépare des émissions radio spécifiquement pour ça, pour informer les producteurs. Et ces émissions sont diffusées en réalité sur des radios sur lesquelles, que ce soit communautaire ou même privés avec lesquels nous avons, nous avons des, des, conventions. renforcer la co-création des connaissances dans le Conseil agricole pour mieux accompagner les transitions agroécologiques au Niger fait partie des missions du RECA. Mm. Comment ça se passe concrètement sur le terrain On parle de transition agroécologique. Pour nous, l'agroécologique n'est pas, pas nouveau en réalité. Donc il ne faut pas penser que c'est un concept nouveau et qu'il faut être dedans. Ah, Dans un... Ce n'est pas un concept non, nouveau. Non, pour moi, ce n'est pas nouveau. Tout de suite, le, le, le, professeur parlait de, de régénération naturelle assistée. Ça existait bien avant. Quand vous voyez les gens prendre la, la, la, matière organique pendant la, saison sèche, avant l'hivernage, les gens l'utilisaient sur sur la tête je me souviens très bien, mhm. il y a ce qu'on appelle les mangas là, les gens le, transportent transportaient à Dodan, tout ça là. Mais ce ah. n'est pas nouveau, ça fait toujours partie. Le fait que les gens utilisent leurs propres semences, parce que je me souviens quand on produit les producteurs, nos papas ont on toujours, sélectionne euh, choisi mhm. les meilleures épices. C'est ça la sélection massale. C'est aussi une transition agroécologique et l'intégration agriculture-élevage. Je me souviens les, histoires de Parca. Quand nous, on était petits, on fait exprès d'abord de laisser les, les tiges de mille dans, le champ et, souvent il y a un contrat qui est passé entre généralement les éleveurs et les agriculteurs. Et moi je me souviens dans, dans nos propres champs, le contrat, chaque semaine, on, donne une botte de, de, mille eh, à l'éleveur qui parque ses animaux. Et c'est que la conditionnalité, il faut, aussi que les animaux aussi trouvent quelque chose à manger aussi dans le champ. Vous voyez tout ça là. Mais pour moi, pour moi tout ça, ce n'est pas nouveau. C'est pour cela qu'on parle de transition agroécologique. Peut-être que il faut, il, faut, il faut revaloriser, il faut introduire certaines choses, mais en réalité, eh, ça existait déjà bien, bien, avant. Zakayaya à présent, que faire pour minimiser ou éviter, s'il le faut, les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui, euh, chaque année, causent d'énormes dégâts ici au Niger les conflits, moi, je vois beaucoup plus en termes je vois beaucoup plus en termes d'occupation de, l'espace. Aujourd'hui, les questions foncières sont des questions fondamentales. Et rapidement, quoi qu'on dise, la plupart des espaces, des espaces qu'on pense être pastoraux sont aujourd'hui sont en train d'être transformés. Tout de suite, le professeur parlait de des zones de plateau qui ne devraient pas être cultivées. Quand vous prenez, c'est des zones qui sont réservées beaucoup plus à l'élevage. Aujourd'hui, c'est des zones qui sont aussi mais maintenant, même les espaces pastoraux, même les, les aires de pâturage entrent souvent et les chaînes de culture sont transformés en, en, champs agricoles. Et ça, je pense que c'est des éléments aussi, et même les couloirs de passage, tout ça là, qui sont grignotés, qui sont grignotés un peu partout. Je pense que c'est des éléments, en tout cas, qui contribuent à ces conflits. Mais maintenant, les autres aspects, tels qu'on le dit, certains aspects où les gens vont profiter pour mettre leurs animaux dans les champs, ça c'est autre chose. Mais je pense que c'est beaucoup plus la, question de la gestion foncière aujourd'hui sur laquelle il faut, il faut mettre beaucoup plus l'accent pour éviter ces questions. Merci beaucoup Zaka Yaye, euh, professeur Yajigiro. À présent, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une utilisation rationnelle des terres et des sols, mais aussi pour accroître le rendement agricole rapidement ah. <laughs> c'est très vaste. Bien, euh, je pense, comme il l'a dit, il y a une réalité. Nos producteurs ne font pas acheter les engrais. Ils n'ont pas les semences et ça complique tout. Parce que le schéma qu'il a évoqué, c'était le schéma des grands-parents. Maintenant, les gens n'ont pas, ne conservent pas. Ce n'est pas toutes les familles qui ont leurs semences qu'ils ont gardées. Donc, très probablement, les gens risquent d'aller sur le marché acheter, du vrac, comme on dit. Donc je pense que là, il y a un travail à faire. Peut-être euh, organiser un petit débat pour voir. C'est vrai, il y a ceux qui font les productions de semences, mais je crois qu'il faut qu'on revoie le prix. Parce que, en tout cas, il faut faire un débat pour améliorer ces conditions. Surtout l'accès. L'accès aux agriculteurs. Pour moi, l'accès aux semences, l'accès aux engrais, c'est quelque chose de crucial. Bon, mais parce que euh, le grand problème, parce que tant que les gens ne quittent pas un certain niveau, n'atteignent pas un certain niveau, j'allais dire, de richesse, mais ils ne peuvent pas aller sur le marché acheter. Sinon, rien, ils ne peuvent pas acheter. Donc, je pense que là, il y a une réflexion à faire pour voir comment organiser une production de semences ou proposer des semences euh, à moindre coût. Maintenant, il a dit lui-même que la production du mille, c'est le mille pratiquement qui tire la consommation, en tout cas l'alimentation des Nigériens. Probablement, il faut revoir, moi, à mon avis, parce que je suis d'accord avec lui. Le système d'intégration agriculture-élevage, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, je me permets l'expression, je pense qu'on a toujours fait de la cueillette, c'est-à-dire qu'on a prélevé ce qui existe. Vous avez votre troupeau, vous envoyez de la jachère, n'est-ce pas et le monsieur aussi, que l'agriculture, bon, vous faites 5 ans, vous exploitez une terre, vous laissez en jachère. Tout cela est aujourd'hui pratiquement difficile à réaliser. On n'est plus même dans les conditions des années 60. Donc je pense que maintenant, à mon avis, d'ailleurs les paysans n'attendent pas, l'alimentation des animaux est devenue cruciale. Les hommes n'ont pas suffisamment à manger. Il y a là un grand problème. Je me permets un peu de dire aussi que si on regarde les problèmes de transhumance, pour que les animaux du Niger partent, je ne sais pas, dans un voisin, voisin, je crois que les conditions sont devenues difficiles avec l'insécurité. Très probablement. Et je crois qu'il faut regarder aussi les statistiques, je crois que du cheptel nigérien, la part du cheptel nigérien qui est dans la zone agricole. Si mes lectures sont justes, c'est plus de 50%. Donc vous voyez qu'il y a une pression qui est forte. Et donc très probablement, il faut trouver des mécanismes pour que on gère très bien, à mon avis, Certes, on a la RNA, comme nous avons dit, la restauration assistée, mais il, faut, reboiser davantage. Il faut reboiser davantage, mais aussi aller. C'est vrai, on n'a pas encore nourri les gens, mais il faut produire aussi des aliments pour les animaux, ce qu'on appelle les cultures fourragères. Quand on cultive, on dit de faire les cultures fourragères, les gens vont dire mais on a fait. mais non, mais les animaux, parce que si vous avez un bon animal, au moins vous pouvez vendre pour acheter mais l'animal est maigre, il ne peut pas valoir quelque chose sur le marché. Donc je pense que, comme il a dit au départ, il y a des choses que la tradition a il faut les améliorer. Par exemple, l'intégration agriculture-élevage, elle est là. Mais la question maintenant, c'est, et je pense que sur le plan matériel végétal, ça existe. Aujourd'hui, que ce soit le niébé, que ce soit le mil, il y a des travaux qui sont faits qui peuvent avoir des milles qui mûrissent avec des feuilles vertes et aussi du niébé qui mûrit avec des feuilles qui sont conservées. Donc je pense que très probablement il y a un travail là au niveau de la vulgarisation, mais aussi revoir peut-être la façon de vulgariser. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Professeur Yaji Giro, agropédologue à la faculté d'agronomie à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et Zakaï Yaye, agronome chargé de conseil agricole au niveau du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. C'était Mokhtar Hamad à la modération de ce forum. Merci, au revoir.